le forum du studio le du le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Studio Kalango. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Studio Kalangou a pour thème Comment relancer le secteur du tourisme après la maladie à coronavirus au Niger. Le secteur de l'artisanat qui représentait jusqu'à 25 du PIB du Niger est aujourd'hui touché par le fléau de l'insécurité qui sévit dans la région ouest africaine. Les activités touristiques généraient des revenus estimés à 32 milliards de francs CFA, équivalent à 1,7% du PIB et des emplois permanents estimés à plus de 8700. C'est pourquoi le gouvernement envisage un plan de soutien au secteur informel, particulièrement celui du l'artisanat et du tourisme, encore durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 annoncée par le ministre du Commerce Sadou Seydou, rapporte un article publié par l'agence nigérienne de presse le 16 mai 2020. Avec nos invités, nous allons voir l'impact de la pandémie du coronavirus sur les secteurs du tourisme et de l'artisanat et les solutions urgentes à envisager. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Anafi Suleiman, directeur général du Centre nigérien de promotion touristique au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Anafi Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Mauli Dayak, promoteur de l'agence de voyage et du tourisme Temet Événement. Mauli Dayak, bonsoir. Bonsoir. Et Abdelaziz Taya, président de l'association des guides et accompagnateurs. Abdelaziz Taya, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. va commencer avec vous, Anafi Suleiman. Euh, comment se porte aujourd'hui le secteur du tourisme et de l'artisanat au Niger Bien, merci. Euh, les secteurs du tourisme et de l'artisanat ont été très affectés par cette pandémie, puis est une pandémie que, qui nous a confrontés à une crise que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Et le secteur du tourisme et celui de l'artisanat qui lui est subséquent ont été les plus affectés de tous les secteurs. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un secteur qui est un peu essoufflé. C'est un secteur qui est un peu essoufflé. Euh, la croissance économique au Niger pourrait se situer à 4,1% en 2020 contre 6,9% en 2019 et en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a déclaré le ministre nigérien des Finances, Mamadou Diop, en fin du mois de mars dernier. Avez-vous évalué au niveau euh, du ministère du Tourisme et de l'Artisanat l'impact de la maladie euh, du coronavirus, principalement pour les deux euh, du tourisme et de l'artisanat pour les, deux secteurs, euh, effectivement, l'impact est beaucoup plus sensible que les autres. Parce que cette pandémie a surtout ébranlé l'industrie du voyage. Et les impacts, il faut le rappeler pour le secteur, ont commencé depuis janvier. Parce que le tourisme, c'est d'abord à 78% des visiteurs étrangers qui viennent dans nos pays. Et dès que la pandémie a commencé dans les pays émetteurs de tourisme, déjà les arrivées se sont estompées. Donc c'est un secteur qui a connu plus d'impact et dans la durée plus que ce que les autres secteurs ont connu. Donc c'est pour ça, nous n'avons pas une estimation précise. Mais déjà, nous pouvons dire que pour les plans d'action de cette année, déjà on peut estimer la baisse pour certains, elle est de 100%. Quand vous prenez une agence de voyage qui émet des billets d'avion, cette agence se retrouve du jour au lendemain de 100 à 0% d'activité. Quand vous prenez un bar-restaurant qui a été totalement fermé, ce n'est plus 20% de réduction, c'est zéro, il est à 0% d'activité. Donc c'est pour ça que ce secteur-là est plus touché que les autres secteurs de l'économie. Et les hôtels, nous avons enregistré massivement des fermetures provisoires des hôtels. Et quand on dit fermeture provisoire, il n'est plus question d'évaluer. La perte, elle est sèche et elle est totale. Donc c'est pourquoi il n'a pas, pas, besoin de dire qu'on va l'évaluer à 20 ou 30 comme les autres secteurs. C'est un secteur qui a cessé d'exister. Anafi Souleymane, le secteur du tourisme, euh, de l'hôtellerie et de l'artisanat font partie des secteurs les plus touchés, vous venez là de le rappeler, avec des annulations parfois à 100%, euh, ce qui amène certains analystes à craindre la faillite de certaines entreprises et l'accentuation du chômage. Comment atténuer les souffrances des personnes qui exercent dans ces secteurs Eh bien, il faut accompagner les entreprises. D'abord, euh, il suffit qu'on relance pour que ces entreprises-là puissent reprendre leurs activités pour certaines. Pour les hôtels, il faudrait bien que le niveau mondial et national se stabilise pour qu'eux le reprennent. Mais pour ce qui est des agences de voyage et de certaines compagnies de tourisme, elles peuvent se relancer, même si elles dépendent du contexte international. Parce que quand on dit confinement, ça veut dire que personne ne voyage et personne ne va dans, ces établissements. Quand on dit couvre-feu, ça veut dire que tous les établissements qui fonctionnent la nuit jusqu'à 2 heures du matin ne peuvent pas une perte. Quand on dit isolement sanitaire de la ville de Niamey, ça veut dire que personne ne viendra habiter chez vous. Donc, effectivement, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relancer. Et il faut relancer. Il faut Relancer en appuyant les entreprises sur trois domaines. Il y a un domaine d'abord économique il faudrait bien que l'économie nationale se restructure pour que le tourisme en profite. Il faut une promotion et un marketing pour que la destination au Niger soit relancée. Et il faut que les entreprises, là, on les aide à être résilientes. Et partout où le tourisme marche, il marche d'abord sur le plan domestique. Il faudrait qu'au Niger, on pense à relancer le tourisme intérieur. Ce n'est pas qu'il n'existe pas puisque oh, j'ai toujours dit que Le tourisme intérieur, ça veut dire que les nationaux, euh, euh, doivent visiter leur pays. Et les nationaux doivent apprendre à aller dans des établissements prévus à cet effet pour se faire héberger. Mais surtout, on doit évaluer les dépenses effectuées quand vous vous rendez dans une ville. Parce que ce que les gens oublient, même quand vous, vous allez quitter Niamey, vous allez à Zender, vous logez dans votre famille, vous dépensez. On peut évaluer quand même les retomber en évaluant les dépenses exécutées par la personne qui a voyagé. Donc, il y a beaucoup de pistes que nous pouvons suivre pour le faire, mais aussi accompagner ces entreprises-là. accompagner, ça veut dire, est-ce que ça veut dire débloquer de l'argent pour les, les Il le faudra à la fin, puisque c'est des entreprises qui ont cessé toute activité et qui ont continué à assurer des dépenses fixes. Par exemple, le personnel, même si vous le mettez en chômage technique, il y a des droits que vous le payez et il y a un minimum de personnel que vous allez conserver. Il y a une maintenance des équipements et un entretien des bâtiments que vous allez continuer de faire. Et mieux, c'est que les impôts et la CNSS ne vont pas vous laisser. Mais il y a aussi les prêts bancaires. Ces entreprises sont endettées auprès des banques et les échéances continuent de courir. Et ces échéances-là, si vous sautez une, vous êtes en pénalité et le montant que vous payez s'aggrave. Donc tout ça, c'est des aspects que nous, devons prendre en compte pour accompagner ces entreprises à se relancer parce que, en plus du fait qu'elles contribuent à l'économie, c'est que le secteur du tourisme est un grand pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, on dit pour être grande entreprise, il faut avoir un milliard de chiffres d'affaires. Mais il y a des entreprises qui ont plus d'un milliard de chiffres d'affaires qui emploient trois personnes parce que simplement, ils ont accès à certains marchés, ils, affichent un chiffre d'affaires, mais ils créent peu d'emplois. Alors que les entreprises de tourisme, même si elles ne, créent, ne font pas un chiffre d'affaires d'un milliard, elles créent quand même au minimum 30 à 200 employés. Donc c'est pourquoi il faut soutenir ces entreprises-là et les accompagner. Il y a un certain nombre de mesures que, sur lesquelles nous reviendrons, que nous devons prendre pour les accompagner. Dayak, beaucoup d'analystes estiment qu'il faut aider, comme l'a dit Anafi Suleiman, refinancer les entreprises nigériennes, dont notamment celles du tourisme et de l'artisanat. Quelles sont concrètement vos attentes En fait, par rapport au tourisme, moi, ce que j'ajouterais, c'est que c'est un secteur qui n'a pas attendu le Covid pour être sinistré au Niger. Il y a, déjà, l'image qu'on a de la région qui limite aussi le tourisme international au Niger. C'est pour ça que, comme M. Le je suis vraiment un, soutien du tourisme euh, endogène interne. Parce que, quoi qu'il qu'il en soit, au-delà du, corona, il y a déjà cette situation de, de crise du tourisme par, qui est venue de, de, de, la conjoncture sécuritaire euh, et sociale de la, de la sous-région. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'à Niamey, le tourisme se porte plus ou moins bien parce qu'on a favorisé le développement du tourisme d'affaires, de, conférences, etc., etc. Mais le tourisme de loisirs au Niger n'allait pas déjà pas très très bien. Donc, euh, je pense qu'il faut, comme le dit Monsieur Anafi, faut vraiment tout mettre en œuvre pour relancer le tourisme interne ou même le lancer, euh, parce que c'est c'est la seule possibilités qu'on a aujourd'hui, euh, parce que les gens ne vont pas voyager avant de longs mois, de, peut-être même euh, un an, deux ans, qu'on va vraiment voir le tourisme international véritablement reprendre. Donc il faut vraiment se concentrer absolument sur le, tourisme euh, endogène. Quoi. Maulid est-ce que Temet événement continue à exercer ses activités Bon, c'est assez particulier, peut-être M. Monsieur Taya pourra mieux en parler parce que Temet et c'est vrai qu'on fait de temps en temps des voyages, euh, on organise de temps en temps des voyages à l'intérieur du pays, mais c'est plus de la promotion qu'on fait, plus du, on travaille plus l'image du pays pour essayer d'attirer, donner une autre image que, vraiment faire du tourisme directement. Euh, Maulu Dayak, le gouvernement nigérien a déjà pris des mesures d'accompagnement pour limiter l'impact socio-économique euh, du Covid-19 sur les entreprises. Avez-vous bénéficié euh, de toutes ces mesures d'accompagnement Je n'en ai pas bénéficié parce que de toute façon c'est quelque chose qui est en cours, je crois, Monsieur Anafi l'a souligné mais je mais je pense pas de toute façon que ce soit ça qui va vraiment être capital pour la relance du tourisme. C'est vrai que ça c'est pour soutenir les, les, entreprises tout de suite, pour soutenir les emplois, mais euh, c'est vraiment plus profond vraiment ce qu'il faut, ce qu'il faut développer pour euh, relancer les choses après. Vous pensez que l'État euh, peut encore mieux faire Bon, on peut toujours mieux faire, oui, <laughs> mais c'est déjà, c'est déjà un bel effort. Après, il y faudra d'autres choses oui, pour, Abdelaziz Daya, l'écrasante majorité des clients euh, du tourisme et de l'artisanat au Niger sont des étrangers, Anafi euh, l'a rappelé. Comment, selon vous, promouvoir le tourisme intérieur et convaincre les Nigériens à consommer euh, les offres touristiques et les produits artisanaux locaux euh, merci. Je remercie le Kalangou de nous avoir donné l'opportunité de nous prononcer par rapport à cette situation de pandémie Covid-19 l'impact qu'elle a généré par rapport à notre activité. Et avant de vous donner ou de donner mon apprécié par rapport à votre question, et vous savez, et nous n'allons pas passer par mille chemins pour dire ce que nous pensons et ce que pense la population. Parce que le secteur est mal vu. Il y a une hypocrisie intellectuelle qui se vit dans le milieu. Aujourd'hui, dès que vous parlez du secteur, ça devient un tabou. Un tabou, euh, c'est-à-dire euh, Un tabou social. Malgré ce que génère le secteur, que ce soit sur le plan emploi et sur le plan fiscal. À quel dessin, selon vous Bon, comme je l'ai dit, c'est autre hypocrisie. On, on, voit la réalité des choses, mais on refuse. On fait autre chose. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand vous parlez du secteur, surtout quand il s'agit du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, là, c'est un autre problème. Comme l'a dit eh, eh, Molly, nous, nous subissons ces, ces méfaits de la société depuis longtemps. Il y a un certain nombre d'événements qui ont, succédé Et ces événements, vous savez, c'est que ça a produit comme effet sur notre secteur. C'était un secteur déjà qui sur une seule jambe. Mais avec l'arrivée du Covid-19, nous sommes complètement tombés à plat et nous sommes vraiment anéantis. Aujourd'hui, le secteur, et je n'ai pas de mots qualificatifs pour vous dire ce que vivent dans leur chair les, euh, les acteurs qui, qui, qui, jouent ou qui travaillent dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans notre secteur, ça fait pitié. Nous sommes devenus des mendiants ambulants. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à exercer même euh, les, petites euh, activités au niveau de vos entreprises Faites un tour dans la ville ou à l'intérieur du pays, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on dirait que les gens nous attendent au tournoi avec l'arrivée de la maladie. Ouf, on a eu le coup de Simus pour nous anéantir complètement. Mais maintenant, eh, comme vous l'avez demandé, comment relancer l'activité C'est comme l'a dit le directeur, il faut accompagner. Mais l'accompagnement, comment Pas de la manière dont nous, on nous suggère de nous accompagner, non. Comment, selon vous, euh, l'État doit vous accompagner Comme l'a dit monsieur le directeur et comme nos autres partenaires sont en train de voir, c'est nous accompagner financièrement et techniquement avec vraiment eh, des, moyens, et quand je dis moyens, moyens financiers parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas concevoir où un, promoteur de ces, de ne peut pas comprendre qu'on lui donne de l'argent, qu'on lui donne des crédit, or que de l'autre côté, il doit payer le loyer, il doit payer le salaire, il doit payer beaucoup de choses. Or qu'une banque, une banque ne peut pas te faire un crédit pour payer tout ce, que je viens de citer là. Donc vraiment, il y a un problème là-bas. Nous, nous, nous, attendons à ce qu'on nous accompagne, ou on crée un fonds qui doit accompagner le secteur à lui octroyer des moyens conséquents pour pouvoir relancer l'activité. En dehors de ce qui vient de le dire, la consommation du produit national, il faut faire, il faut que les Nigériens acceptent de voyager, de découvrir son pays, aller avant d'aller dans un autre pays où, non, nous ne sommes pas contre que quelqu'un aille avec son argent découvrir d'autres pays, mais nous privilégions le tourisme intérieur pour que nos enfants puissent découvrir beaucoup de choses, les merveilles, l'histoire, et beaucoup de choses que nous, nous avons l'habitude de les voir dans les cahiers, dans des livres, et ou dans les reportages que font euh, les presses européens Donc euh, tout ça là, ce sont des mesures qui doivent accompagner le secteur pour qu'on puisse relancer l'activité. Selon vous, Abdelaziz Taya, pourquoi les Nigériens ne s'intéressent pas aux produits locaux comparativement aux produits qui viennent euh, d'ailleurs Bon, c'est le comment ou pourquoi les Nigériens ne consomment pas les produits euh, euh, nigériens. Ça, c'est une autre question que peut-être les sociologues ou, ou des experts qui sont vraiment du domaine qui peuvent nous donner la réponse. Mais à notre petite expérience qu'on a, c'est que les Nigériens, d'habitude, n'aiment pas ce qui est produit ou bien les Nigériens n'ont pas assez de moyens pour souffrir euh, s'offrir euh, les produits locaux, c'est ça Non, il y a un proverbe qui dit on préfère donner à l'étranger, regarder ce que l'autre fait, on apprécie beaucoup ce que fait l'autre que ce que nous nous faisons ici à la maison. Parce que eh, le fait que les Nigériens ne consomment pas, vous avez vu nos entreprises, comment elles sont. Comment aujourd'hui, si je prends l'exemple des Enitex, ils produisent des beaux pains joli produit, mais les Nigériens n'en consomment pas. Ils préfèrent toujours les produits importés. Et ça, je ne sais pas, et comme je l'ai dit, c'est le sociologue qui va nous donner la réponse à, cet état d'effet des Nigériens. On revient vers vous, Anafi Suleiman. Les conditions sécuritaires de plus en plus apaisées constituent aujourd'hui l'un des facteurs propices à toutes les activités touristiques au Niger. Comment faire pour que les entreprises nigériennes des secteurs du tourisme et de l'artisanat continuent d'exister même après la maladie à coronavirus Merci. Donc je disais qu'elles elles sont en train de vivre une situation difficile il faut d'abord les accompagner pour sortir. Tout à l'heure, je n'avais pas pu évoquer quelques mesures. Nous, au ministère, nous avons déjà réfléchi à des possibilités, à des axes qu'on peut suivre pour permettre à ces entreprises-là de rebondir. D'abord, on a pensé à une réduction, voire une annulation au titre de l'année 2020 de certains impôts et taxes. Ils n'ont pas travaillé. Et le tourisme ne va pas revenir dans trois jours. Ça dépend du contexte mondial. Donc pendant cette période, permettez-leur de vivre au moins ce que l'État peut faire. S'il ne donne pas de l'argent, c'est de voir certaines taxes-là sur lesquelles on peut les soulager. Deuxième chose, c'est la réduction des crédits bancaires. Il faut voir, il faut que on sollicite les banques pour qu'elles restructurent les crédits qu'elles leur a apportés parce que là, ils vont, certains vont avoir six mois sans activité. Il faut qu'on les restructure pour ne pas complètement les ruiner et les endetter il faudrait que on réfléchisse à appuyer ces établissements pour acquérir du matériel de détection du Covid-19 déjà. Parce qu'il n'y a pas plus grande catastrophe pour un hôtel que l'on découvre à l'intérieur un cas de Covid-19, c'est tout l'hôtel qui est isolé. Donc, on peut quand même leur donner ce matériel-là. On peut, on s'est déjà fait avec le Gaoui, louer ces hôtels-là. Malheureusement, maintenant, Dieu merci, la pandémie est en voie de, de finition. Mais on aurait pu utiliser ces hôtels-là pour isoler les quelques cas suspects. Et ça leur permettrait de faire... Et les cas confinés. Et les cas confinés. Vous voyez Donc, il faut aussi proroger la durée de validité des exonérations accordées par les, euh, le Code des investissements. Il y a certains qui ont bénéficié de certains des bénéfices du Code des investissements, mais du fait de la fermeture des frontières et de toutes ces mesures de restriction, ils n'ont pas pu exécuter le programme il faut déjà penser à le, leur proroger pour leur permettre de rattraper ce qui est fait. Et il faut relancer le secteur du tourisme en accordant une subvention aux différents établissements de tourisme sur un fonds de cautionnement mutuel euh, créé à cet effet et alimenté au départ par les, contributions de l'État. Il faut un fonds spécial. C'est vrai, le, le gouvernement a mis déjà un fonds de 150 milliards, mais c'est pour toutes les entreprises. Mais les entreprises du secteur du tourisme ont un cas particulier. Et il faudrait qu'on mette sur place un fonds pour les aider à vraiment se financer sans qu'il y ait des intérêts vraiment trop élevés qui vont les mettre en l'eau. Et la troisième chose, c'est de relancer le tourisme intérieur. Relancer le tourisme intérieur, il faudrait d'abord. Oui, oui à ce niveau, M. Mhm. Euh, Anafi Suleiman, est-ce que les Nigériens ont quand même aujourd'hui les moyens de faire le tourisme intérieur C'est là où j'en viens. Quelqu'un a toujours les moyens de voyager, mais l'offre qu'on lui fait fait qu'il va venir chez vous ou pas. Lorsque vous prenez le plus petit hôtel, facture la nuitée à 45 000, voire 60 000, qui va aller Aucun Nigérien n'ira, il ira dans une famille. Où il appelle un ami, dis-moi, bon, je viens à Zender, est-ce que vous pouvez m'héberger pendant trois jours Parce que l'offre n'est pas adaptée. Ce que nous allons demander pour que le tourisme intérieur fonctionne, il faudrait que d'abord l'offre des, opérateurs soit adaptée au Nigeria. Il faudrait que les restaurants, là où monsieur peut aller chez Yao manger à 1000 francs très bien, quand il va dans un hôtel, on lui dit 12 000 à 16 000. Donc ça, nous devons revoir ça pour que les Nigériens aient envie d'aller dans les établissements de tourisme. Et maintenant, nous, au niveau du Centre nigérien de promotion touristique, nous avons déjà des initiatives. Parce que chaque année, nous, nous, organisons ce que nous appelons le camp d'été. C'est un camp qui est destiné aux meilleurs élèves issus du brevet de l'année en cours que nous emmenons découvrir euh, une région du Niger avec ses potentialités culturelles et tout. Et nous avons l'intention de les élargir à d'autres groupes sociaux pour que les Nigériens apprennent à visiter. Est-ce que c'est l'État qui prend en charge ou des partenaires C'est nous qui prenons en charge, mais l'année dernière, nous avons eu l'appui du PNUD. Mais sinon, c'est sur le budget, notre budget, nous ne demandons rien aux élèves. Par contre, c'est que les seules difficultés que nous avions, c'est les structures d'encadrement qui ont des exigences que notre enveloppe ne peut pas prendre. Mais sinon, aux élèves, nous ne demandons rien. Mais par contre, ce que nous exigeons de c'est qu'ils soient dans les mêmes conditions que tous leurs camarades de vie. Mais ça, c'est une initiative parce que l'enfant bien formé est un adulte qui va aimer le tourisme. Et il, faut, il faudrait qu'on le fasse. Deuxième chose, c'est que nous menons une offensive auprès des écoles. Nous avons des écoles qui envoient leurs enfants à Dubaï en colonie de vacances. Ils les envoient dans d'autres pays, mais jamais au Niger. Pourquoi de tels comportements Parce ici au Niger que simplement, on a envie d'aller, parce que la télé, tout le monde nous parle des merveilles d'ailleurs. Mais il y a, ici au Niger, il y a des merveilles. Il y a des merveilles et notre rôle, c'est de les faire connaître. Il n'y a pas une région au Niger que vous allez prendre qui n'a pas des merveilles. Mais il faudrait que les Nigériens sachent que, au lieu d'aller regarder une statue au Bénin, ils peuvent aller à Gaïa, ils peuvent aller à Zender pour voir d'autres choses, d'autres merveilles qui sont qu'ils peuvent mieux comprendre d'ailleurs. Donc, mais effectivement, comme disait Taya, il y a un certain nombre de tabous et de blocages culturels qui font que les gens ont une approche un peu méfiante du tourisme. Simplement parce que, bon, le tourisme, c'est les hôtels. Euh, qu'est-ce qu'on fait dans les hôtels Le tourisme, c'est peut-être les bars, voilà. Mais, mais le tourisme, c'est vous qui décidez de ce que sera la structure d'accueil. Dayak, comment repenser le modèle du tourisme et de l'artisanat au Niger euh, Pour commencer, je vais revenir sur votre première question qui est, très importante. très importante sur pourquoi les Nigériens ne, euh. consomment pas les produits touristiques au Niger. Euh, M. Taya et M. Anafi ont déjà commencé à y répondre de fort belle manière il y a deux choses. Il y a la société, comme disait M. Taya, et les décideurs politiques, mais estiment un peu le tourisme, l'impact du tourisme sur l'économie, sur l'emploi, sur euh, toutes ces questions-là. Et la deuxième chose, comme disait M. Anafi, c'est qu'on n'a pas forcément des offres adaptées pour les, les, Nigériens. Si vous regardez le tourisme au Niger, ça surtout, c'est surtout concentré autour d'Agadez, la région d'Agadez, et du fleuve Niger et pour, ce qui est des touristes internationaux. Et ces touristes internationaux venaient parce que des agences de voyage allaient leur vendre le produit. C'était adapté à ce qu'ils recherchaient, les moyens qu'ils avaient, donc ils ont pu le faire. Mais souvent, la majorité de ces agences de voyage étaient de la région d'Agadez, même pour les voyages autour du fleuve Niger, même pour le Tchad. Vous voyez Elles avaient connaissance du patrimoine qu'il y a au Niger, de ce qui se vend, parce qu'elles le connaissent, elles, c'est ça qu'elles présentaient. Les agences, par exemple, de Niamey, qui faisaient beaucoup de chiffres d'affaires aussi dans le tourisme, eux, sont, même s'il y en a qui vendaient au Niger, se sont beaucoup focalisés sur la vente de billets d'avion ou de voyages à l'étranger. Et aujourd'hui, elles n'ont pas forcément connaissance de ce qu'il y a à vendre au Niger. Elles ne savent pas que proposer aux clients nigériens, parce qu'elles ne connaissent pas forcément le patrimoine. Et ceux d'Agadez, par exemple, eux qui connaissent le patrimoine, se disent que le tourisme, le Nigérien, ne va pas visiter le Niger. Il n'a pas les moyens ou c'est pas dans sa culture, il va pas le faire. Donc c'est toute cette approche qu'il faut aussi changer déjà. Et comme disait Monsieur Nafi, faire des offres adaptées. C'est sûr qu'un voyage dans le désert aujourd'hui, c'est pas donné à, la bourse de tous les Nigériens. C'est très limité. Mais comme disait Monsieur Nafi, Zinder est accessible. On peut y aller en bus, ça coûte pas très cher. On peut aller au parc du W, on peut aller aux girafes de Couré, ça va coûter avec toute la famille 15 000 francs pour aller voir les girafes. Les enfants vont être heureux de voir des animaux, ça ne coûte rien mais c'est aussi aux opérateurs, aux entreprises du tourisme de proposer aux gens. C'est de la communication aussi. Il faut faire du marketing, il faut proposer de nouvelles choses. Comme disait M. Anafi aussi, c'est vrai que les colonies de vacances et autres, ça se passe toujours à l'étranger, les comités d'entreprise, etc. Donc pour, pour, pour tout ça, c'est les entreprises qui doivent évoluer, mais aussi il y a peut-être des choses à faire au niveau de, des fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires, c'est des gens qui ont un salaire régulier, qui, sont, qui ont des petits moyens, quand même euh, plus aisés que la majorité des Nigériens, ben, on peut très bien faire des, actions pour les soutenir, pour les pousser à les consommer dans le tourisme au Niger, peut-être avec... Euh, par exemple, aujourd'hui, on fait des cases de passage. Ces cases de passage coûtent beaucoup d'argent. Elles font de la concurrence aux hôteliers. Ben, on peut très bien arrêter de faire ça. Et ces moyens qu'on utilise chaque année pour faire ce type de d'infrastructure, ça peut être très bien donné en, en bon pour des vacances, pour des, pour des fonctionnaires, pour qu'ils aillent, euh, qu'ils aillent consommer dans le Niger. donc c'est aussi toute une approche qu'il faut changer. Il faut se poser, réfléchir et voir comment on peut pousser les Nigériens à consommer localement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement nigérien a un rôle à jouer dans ce sens Bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a pour inciter les Nigériens à consommer local, à visiter le Niger, par exemple Bien sûr, le gouvernement peut faire beaucoup de choses, mais c'est aussi, par exemple, aujourd'hui, euh, les vols intérieurs au Niger, par exemple Niger Airlines, qui, qui, est, une entreprise bienvenue au Niger, qui a, beaucoup contribué au développement du tourisme, mais les prix des, vols sont, entre Niamey et Zinder sont les mêmes qu'entre Paris et Nouakchott. Vous voyez, c'est quand même 5 euh, euh, cinq fois plus long la distance. Bah, c'est aussi peut-être euh, l'État aussi à voir comment soutenir ces entreprises, peut-être pour que les, moyens de transport soient moins coûteux pour ceux qui veulent se déplacer en avion pour traverser le pays. Pareil pour les, entreprises, les hôtels, les restaurants et, autres. Je crois que la TVA est beaucoup plus élevée que dans les, pays voisins. On n'est pas concurrentiel. Voyez. Donc l'État a plein de choses à faire, mais c'est surtout aux entreprises du tourisme, de faire, comme disait M. Anafi, des offres adaptées aux Nigériens et puis de faire de la communication parce que le, il faut créer une demande en fait, voyez. Abdelaziz euh, Taya, euh, comment tirer les leçons de la crise sécuritaire et celle euh, du Covid-19 au Niger Tirer de l'expérience de l'insécurité terroriste ou du Covid-19, les leçons qu'on doit tirer, voilà les conséquences et voilà, euh, ça nous donne matière à réfléchir comment pouvoir vraiment prendre en compte le secteur du tourisme dans le BIP du pays. Malgré que les gens, comme je l'ai dit auparavant, l'hypocrisie des Nigériens nous amène aujourd'hui à cette situation où voilà un secteur, pouvoir d'emploi, pouvoir de richesse, mal vu par la population. Bien avant la maladie du, Covid-19 Ça, bien avant l'arrivée de toutes ces maladies ou le, terrorisme, les gens, comme je l'ai dit, ont une vision négative du secteur malgré. Ah est-ce que ça, c'est pas dû au fait euh, du manque ou bien de l'insuffisance de communication Non, je ne pense pas que c'est du fait de l'insuffisance de communication. Aujourd'hui, vous allez beau expliquer à quelqu'un c'est quoi le tourisme Lui, pour lui, c'est l'apanage des blancs. C'est des choses pour des riches. Ça ne concerne pas. Qu'est-ce qu'il. Tu vois donc cela, cela veut dire que les gens ne connaissent pas l'importance du tourisme au Niger. Mais écoutez, les gens travaillent dans le secteur. Les gens gagnent leur vie. Ils ne voient pas tout ça. Maintenant, on regarde le côté négatif de la chose qu'on pense que dès qu'on parle du tourisme, on pense que c'est et, du banditisme, de la prostitution, de n'importe quoi. Tout ce qui est tabou, on pense que c'est le tourisme qui est vecteur de ça. Alors, la réalité, ce n'est pas ça. Alors, Abdelaziz comment amener euh, le gouvernement à mieux soutenir euh, les, ces entreprises pour qu'elles continuent d'exister, de vivre après euh, la maladie à coronavirus au Niger Bon, comme je vous ai dit, hein, notre secteur, là, c'est un secteur où il y a des entreprises, ce sont des entreprises familiales. Ils n'ont pas fait de prêts bancaires. C'est des gens, ils sont partis en aventure, ils ont gagné ce qu'ils ont pu gagner, ils sont revenus, ils ont investi. Il y a d'autres, ils ont pris des prêts. Donc c'est ça la situation où elle est. L'accompagnement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas juste donner des crédits. Ce n'est pas tout le monde. Le moins de bancarisation, là, au Niger, il est peu. Dans notre secteur, ce n'est pas tout le secteur qui est bancarisé. Si vous prenez, les hôtels sont logés dans des banques ou un truc. Mais les autres secteurs, si vous prenez l'exemple des restaurants, bars ou bars-restaurants, ou certains eh, lieux de loisirs, ce pas des secteurs où ils sont bancarisés, qui sont partis chercher des prêts auprès des banques pour pouvoir faire mener les activités. Aujourd'hui, je vous dis, hein, si vous partez même auprès des banques, si c'est investi dans le domaine du tourisme, il y a vraiment des réticences, il y a des hésitations pour vous accorder ces prêts. Donc vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit eh, bien qu'on a déjà un fonds qui existe au niveau de notre ministère, le fonds de développement touristique, nous voulons que ce fonds-là soit encore alimenté davantage, où ce n'est pas un prêt, c'est un accompagnement qu'on doit faire à, ce secteur, à ces, eh, ces différentes industries du tourisme pour que vraiment puissent eh, mener les activités. Ah, est-ce que vous pensez que dans ce contexte de Covid, euh, le tourisme peut marcher On peut faire du tourisme dans ce contexte de, maladie Non, mais écoutez, on fait déjà du tourisme. Dès lors qu'on a autorisé à faire les réunions, les séminaires et ceci, c'est ça. Mais c'est ça le tourisme, c'est ça le loisir. Déjà, quand on vous donne l'autorisation, on vous autorise à quitter d'un point à un autre point, c'est déjà du tourisme. Mais vous pensez que l'État peut encore mieux faire Il peut mieux faire en, vraiment euh, essayer de lever certaines mesures. Parce que dans notre secteur, il y a une partie du secteur qui, qui, a bénéficié de lever des mesures et d'autres n'ont pas eu cette euh, opportunité. C'est pourquoi nous disons qu'il faut lever les barrières ou les mesures qu'on impose à notre secteur. Des mesures telles que, par exemple, euh, lesquelles L'ouverture de certaines secteur, secteur industrie touristique, je vous prendre l'exemple des restaurants-bars. Ils sont fermés. C'est des activités, c'est des secteurs, c'est un secteur où il n'a pas besoin qu'on l'aide même. Aujourd'hui, il suffit qu'on ouvre, les gens vont se débrouiller pour relancer leur activité. C'est du commerce qu'ils font. Parce que je vous dis, un hein, autre secteur est un des secteurs où vous ne pouvez pas l'exercer tant que vous ne remplissez pas les conditions requises auprès de l'administration qui vous donne l'autorisation de faire l'activité. Anafi Suleiman, la maladie euh, du coronavirus constitue un choc économique important qui requiert une réaction politique ambitieuse, coordonnée et urgente pour la relance des activités artisanales et touristiques. Est-ce possible aujourd'hui au Niger avec tous ces défis et priorités Merci. Comme je vous disais en, au début, le Covid nous a confrontés à une situation que nous n'avons jamais expérimentée et je ne crois pas qu'il y ait un pays dans le monde qui ait expérimenté cela. C'est pourquoi il y aura un avant Covid et, un, post-Covid. Rien ne sera comme avant. Et pour que le tourisme soit relancé, on est obligé d'avoir une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, la communication est au centre. Pas la communication classique. Il faudrait amener les gens à aimer venir chez vous et amener les Nigériens à aimer visiter leur pays. Et pour cela, il faut communiquer. Aujourd'hui, en dehors Parce que ça, ce n'est pas du ressort du ministère du, du, du tourisme. C'est pas seulement parce que le tourisme est une activité transversale. Aujourd'hui, la télé nationale a combien d'années sans faire un documentaire purement culturel pour faire découvrir la culture d'une région Ça fait plus de 20 ans. On ne l'a pas eu. Or, c'est ça qui fait qu'à l'extérieur, on voit votre pays et qu'on est Les films de Jean Rouge ont fait beaucoup. Si Bandiagara est célèbre, c'est parce que des gens ont écrit et il y a eu des documentaires sur ça. Ils n'ont pas besoin de faire du marketing. Deux, il faut, j'ai dit, il faut de l'innovation technologique. Monsieur Maouli et l'agence Temet Événements ont organisé en 2017 un forum sur le, le tourisme à Agadez, dans lequel j'ai découvert des jeunes gens qui ont des start-up qui aujourd'hui, on est obligé de travailler avec eux parce que c'est des gens qui sont capables de numériser un site touristique et d'en faire une visite 3D. Il y a toutes ces personnes-là qui ont de l'innovation, il faut les amener. Maintenant, la promotion du tourisme intérieur passera nécessairement d'abord par un état des lieux du potentiel de chaque région. Et il faudrait que les structures comme la nôtre qui sont chargées de faire la promotion puisse avoir les moyens de commander des documentaires. Les moyens, avoir les moyens. de documentaires. Notre budget, il est là. Mais en plus de. C'est suffisant Non, malheureusement, en plus du fonctionnement, nous pouvons juste faire euh, de la promotion dans les salons et autres. Mais il faudrait qu'on envisage, pour certains, certains sites, de faire, faire des documentaires là-dessus. De faire faire des visites euh, guidées. Aujourd'hui, le musée du Niamey, il est là mais il faut qu'il soit sur le net et qu'on puisse le visiter pour que quelqu'un qui vient à Niamey ait envie. L'État n'a pas attendu le Covid pour contourner, parce que comme disait Mauli, l'insécurité a déjà gravement nuit au, au secteur. Et l'État a imaginé une structure de contournement en misant sur les conférences internationales et autres. Et pour cela, il a même créé l'agence, l'ANEC, qui est l'agence euh, national de l'économie des conférences. Et ça, c'est un atout que nous avons, que nous devons exploiter au maximum. Mais pour que les gens aient envie de venir au Niger, il faut qu'ils voient le Niger et qu'ils le voient sous un angle qui leur donne envie de venir. Maouli Dayak, euh, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour euh, la promotion et la relance touristique et artisanale au Niger Rapidement. Alors rapidement, déjà pour l'artisanat, parce que c'est vrai, on a parlé d'artisanat, mais nous, on ne l'a pas du tout évoqué là. Euh, ce qui concerne le tourisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités artisanales. Quand on parle de l'artisanat dans sa vraie définition, mais nous, on est plus concentré autour du tourisme, c'est surtout concentré sur l'artisanat d'art. Voilà, c'est parce que l'artisanat c'est très vaste, c'est plus de 200 métiers. Il y a des boulangers qui c'est des artisans, des plombiers, etc. Vous voyez, mais nous on, on s'en occupe pas forcément directement c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas trop euh, répondu sur l'artisanat le tourisme permet de vendre l'artisanat parce que c'est le, visiteur qui vient acheter. Les deux secteurs vous ils, sont liés, l'artisanat d'art. Euh, par rapport à votre question, Aux propositions, les propositions, recommandations. Bah, les propositions, de toute façon, personnellement, moi, je ne, à part pour le tourisme d'affaires, comme disait Monsieur Anafi, on a créé l'agence euh, nationale de l'économie des conférences. C'est surtout ça qu'on va capter. Mais aujourd'hui, dans le monde, au-delà du Covid, avec la situation de, sociale et sécuritaire du, de la sous-région, l'image qui en dégage de l'extérieur, il n'y a pas grand monde qui va venir au Niger. On voit 150 soldats tués là, 80 là. Il n'y a pas un touriste qui va venir ici. Même s'il y a des régions qui sont accessibles où il n'y a, a, pas trop à craindre. Donc c'est pour ça, pour moi, il faut miser sur le tourisme interne. Et sous-régional, les gens de la sous-région qui pourraient avoir envie de venir dans des, des, des, des régions qui sont aptes à pouvoir accueillir des touristes miser sur les, événements euh, ponctuels qui sont sécurisés. Et puis attention aussi, parce que le tourisme d'affaires de conférence, c'est pas ça qui va sauver le tourisme, parce que ça se concentre à Niamey, dans les villes. Euh, c'est pas c'est pas suffisant, c'est pas ça qui rapporte le plus. C'est des gens qui viennent, ils prennent leur per ils repartent. Ce qui est important, c'est le tourisme de loisirs qu'il faut développer au Niger pour que ça touche les terroirs. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a le tourisme, M. Taillard est très bien placé pour le, savoir parce qu'il est, président de l'association des guides. Mais le tourisme rend autonome les gens, les populations. L'État du Niger, c'est un État qui n'a pas énormément tant de moyens pour soutenir toutes, les régions, toutes les populations, tous les terroirs. Et le tourisme permet ça parce que c'est des revenus, c'est des emplois dans les, dans les terroirs. à vos propositions de solutions, recommandations euh, pour la promotion et la relance des activités touristiques et artisanales au Niger donc, euh, par rapport aux propositions que nous allons faire, peut-être c'est une série de propositions. D'abord à l'endroit euh, des décideurs qui doivent consommer. Vous-même, vous devez consommer nos produits en équipant le studio avec nos produits euh, de l'artisanat ou fabriqués par nos, <laughs> nos artisans. Et ça, que ce soit dans les ministères ou dans des réunions, il faut qu'on fasse la promotion de nos produits. Tant que les premières les premiers décideurs ne font pas l'effort de consommer, les autres ne vont pas consommer. L'enfant vit à l'image de ses parents. C'est ce que ses parents font que lui le fait. Ça, c'est euh, un exemple que je Deuxièmement, c'est par rapport à un certain nombre de programmes. Que ce soit un programme, le programme, le programme de la CDAO dans le cadre de l'activité touristique, et l'UMOA, qu'on doit mettre, que le Niger doit, ou bien l'autorité doit appliquer ces mesures que par rapport à, tous ces programmes que nous avons décidé entre les pays de l'UMOA ou de la CDAO pour pouvoir vraiment relancer l'activité touristique. Au Niger, le secteur du tourisme a connu un essor appréciable dans les années 80-90, euh, mais cet élan a été vite freiné par les conséquences des mouvements armés qui ont paralysé les activités socio-économiques dans le nord euh, du pays euh, plusieurs années durant. Après l'insécurité, le terrorisme, la pandémie du Covid-19 est venue complètement stopper le rêve de tous les acteurs intervenant dans les secteurs du tourisme et de l'artisanat. C'est pourquoi la réaction politique urgente pour la relance des activités du domaine est vivement attendue. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Anafi Suleiman, directeur général du Centre nigérien des promotions touristiques au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mauli Dayak, promoteur de l'agence de voyage et du tourisme Temet Événement, et Abdelaziz Taya, président de l'association des guides et accompagnateurs. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Merci aussi à la technique côté À assuré par euh, Lawali Issa et côté vidéo Mustapha Ayuba. Merci, au revoir.